forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Le forum du studio Kalamgou 18h15 au studio Kalangou, l'heure du Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Au menu du Forum d'aujourd'hui, la déclaration mercredi des parlementaires nigériens qui demandent au gouvernement de prendre les dispositions adéquates pour mieux sécuriser les populations nigériennes face forum le forum du studio Kalam, The forum du studio Kalam, The forum du studio Kalam, le forum du studio 18h15 au studio Kalangou, l'heure du Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité. Au menu du Forum d'aujourd'hui, la déclaration mercredi des parlementaires nigériens qui demandent au gouvernement de prendre les dispositions adéquates pour mieux sécuriser les populations nigériennes face aux attaques terroristes et tout, mettre en œuvre pour retrouver les personnes enlevées à Toumour et à Ingalewa dans la région de Difa. Autre sujet triste, c'est le décès constaté le 7 décembre à Niamey dans des circonstances non encore élucidées de l'officier d'actif de l'armée de l'air Talata, Shamsuddin Chombiano, en formation au centre d'instruction militaire de Tondibia. La semaine dernière, la capitale mauritanienne a abrité une conférence de coordination de partenaires et bailleurs de fonds du G5 Sahel en vue du financement du programme d'investissement prioritaire PIP 2019-2021 les réfugiés soudanais étaient en sit-in cette semaine devant le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Niger pour demander leur réinstallation dans d'autres pays. Pour analyser tous ces sujets d'actualité, nous recevons Hussein Issa, journaliste freelance. Hussein, bonsoir. Bonsoir. Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa, bonsoir. Bonsoir Alassane. Nous attendons d'un moment à l'autre Elage Suleiman Mahmoudou du journal en ligne Niger Inter. À la présentation, Alassane Kouzi Mahmoudou. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Forum de la presse de ce vendredi 14 décembre 2018. Avant de parler des sujets énumérés plus haut, faisons un tour de table à propos de Studio Kalangu. Pauline Bend, qui a dirigé ce projet au Niger depuis le début, s'en va au, au bout de trois ans. Elle va rejoindre un autre projet, toujours de la Fondation Hirondelle. Son remplaçant est attendu à Niamey le mois prochain. Euh, je commencerai par euh, vous, euh, Qu'avez-vous à dire sur le vif, puisque vous faites partie de la famille euh, de Studio Kalangu, des suggestions, de l'amertume sur les productions, peut-être sur le personnel pour lui-même ben, euh, Ce que je veux dire, c'est que ça euh, ça apporte un plus, en fait, un hein. Studio Kalangu. c'est des émissions que vous produisez, vous avez des radios partenaires à qui vous distribuez, vous envoyez ces émissions-là, ça apporte un plus du point de vue de la qualité même du traitement de l'information. Parce que tout simplement, vous allez en profondeur et il y a l'effort qui est fait consistant à avoir des correspondants à l'intérieur du pays qui essaient de faire un traitement de l'information vraiment beaucoup plus euh, captivante. Et l'apport de Pauline, la représentante Mais Bien entendu, je vais en venir parce que Pauline, euh, avant qu'elle ne vienne ici, on a travaillé pendant des années ensemble à partir de l'Institut Panos. On a fait beaucoup de voyages ensemble pour faire des réalisations, notamment un quotidien partout événementiel, parce que partout il y a les, les, grands forums, forums social mondial, euh, et comment vais-je dire, tous les grands rendez-vous, on allait ensemble, on faisait un journal qu'on diffusait, mais également on faisait des sons. Ce qui vous a permis de, de, bien la connaître. Mais bien sûr, bien sûr, on a, on a, on a fait beaucoup de missions ensemble et vraiment, hier, je l'ai dit, c'est, ça me chagrine qu'elle s'en aille comme ça, alors qu'elle vient quand même de, de, donner naissance à un bébé. Parce que moi, j'ai dit, c'est quand même. le studio Kalangu. Le studio Kalangu, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, euh, quand elle m'a annoncé son départ euh, il y a de cela quelques semaines, euh, j'étais attristé. Elle va rester en Afrique, elle, va, rester toujours dans le projet on de, va rester de la Fondation Hirondelle. Tout à fait, on va rester en contact. Issa, Issa vous qu'avez-vous à dire au sujet de tout, en tout cas le, projet du studio Kalangu La représentante qui s'en va, une autre viendra prendre sûrement, sûrement la remplacer. merci de l'opportunité. Je crois bien qu'au bout de trois ans d'existence, euh, la Fondation Hirondelle, à travers le studio Kalangu, a quand même fait du bon travail, si on peut le dire. Parce qu'il y a aujourd'hui cette diversité de traitement équilibré de l'information que vous avez apportée dans la sphère des médias. Donc, ce qui veut dire que c'est encourageant au fil du temps des programmes euh, euh, euh, euh, évolue avec cette diversité de donner la parole à tous les acteurs, quel que soit le secteur ou le bord politique. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je pense que c'est le défi qui attend le nouveau directeur parce que Pauline a pu relever ce challenge avec vraiment brio grâce à votre collaboration. Vraiment, Kalangou, je vous félicite. Les journalistes, les que ce soit journalistes, techniciens, administration. Elle les responsables, tous ceux qui ont contribué aujourd'hui à faire de Studio Kalangu à bout de trois ans d'existence, euh, cette référence euh, en matière d'émissions radiophoniques, dans du journal au magazine et aux émissions thématiques comme le forum, je pense que c'est un travail exceptionnel qui a été abattu. Je, ne fais que vous encourager. Et bon courage pour le nouveau qui va prendre la place de Pauline. Et je, Pauline à elle, je lui souhaite de passer un agréable euh, séjour pour sa nouvelle mission. Mm. Et bonne chance et beaucoup de persévérance et courage à vous tous. Bien. Euh, à présent, parlons de la déclaration des députés nationaux réunis en, en, session, en séance plénière le mercredi 12 décembre à l'hémicycle de Niamey. Les parlementaires recommandent au gouvernement de prendre les dispositions adéquates pour mieux faire. Euh, euh, de la sécurisation des populations nigériennes face donc aux attaques terroristes et de créer les conditions d'un retour en famille des otages de Kabalewa et Tumour dans la région de Difa. Aussi, les députés recommandent à l'État de superviser et coordonner les activités des humanitaires. Cette déclaration est intervenue donc euh, après l'interpellation par ces derniers, même samedi notamment du ministre de la Défense, sur la situation sécuritaire euh, de la région de Difa. Hussein Issa, vous aviez suivi cette déclaration des députés nationaux, mais aussi celle du ministre le week-end dernier. Euh, quelle analyse vous suscite ces déclarations En fait, le premier sentiment hein, que, que j'ai eu quand j'ai suivi d'abord le ministre de la Défense, j'ai eu comme l'impression qu'il y a un sentiment de comment vais-je dire, euh, ça dit, il y a un défaitisme dans son discours parce qu'il dit que, bon, c'est un peu compliqué, ils sont toujours, euh, la, secte Boko et a toujours cette capacité de nuisance-là. Avec le retrait de la Komadougou, des, des eaux de la Komadougou, c'est qu'ils peuvent traverser maintenant, et il a même annoncé, en tout cas il a alerté qu'on euh, risque d'être confronté à des attaques à partir de janvier 2019. Bah, je dis quelque part, ça pose sérieusement problème. Ça fait des années où on dit, voilà, le budget, comme on avait dit, pour la sécurité, c'est des milliards qu'on met chaque année et qu'on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à contenir encore cette force-là. cette nébuleuse-là, moi, je dis quelque part, ça pose problème. Le premier problème que ça pose, on a comme l'impression, parce que vous avez évoqué tout à l'heure D'abord, euh, les, femmes et enfants, les 39 femmes et enfants Ngalewa, qui ont été enlevés, ça fait pratiquement un an, plus d'un an, mm. deux ans bientôt. Jusqu'ici, il n'y a rien. Il y a quelques évasions. Il n'y a, aucune trace. Et tout récemment, euh, Toumour, il y a eu 15 femmes qui ont été enlevées. Et là aussi, on n'a pas l'impression qu'il y a un travail qui est en train d'être fait en matière de recherche pour pouvoir récupérer ces, Alors, cette déclaration des députés, quelle est. Quelle est euh, oui, mais je veux dire, non, le problème, le problème, le problème bon, une déclaration, vous savez, nous, nous sommes habitués à ça dans ce pays. On se contente de faire des déclarations. Quand je vois un peu, je fais un peu le parallèle avec ce qui s'était passé, les étudiants de Chibok. Il y a eu beaucoup de bruit autour de ça. Ici, on n'a pas l'impression que, les gens font du bruit. D'abord, avant même que les députés ne se réunissent, tous bords confondus, il y a d'abord les députés de DIFA qui ont dit non, ça ne peut pas continuer de cette façon. Il faut que le gouvernement crée les conditions pour que ces personnes qui sont enlevées, pour que ces attaques récurrentes-là, pour pouvoir mettre fin à ça. Mais malheureusement, on n'a pas le sentiment que ce travail-là est en train d'être fait. Ils, vont faire, ils ont fait leur déclaration, c'est une déclaration, bon, mais ça va donner quelle suite toute la question est là. Bien. Issa Mourmouadougou, vous avez également suivi ces, cette déclaration des, représentants de la nation, les députés. Euh, moi, je prends pour moi, c'est même assez. tard même. Ils ont tardé même avant de réagir. Parce que quand on prend euh, la situation à Difa, elle a commencé à se dégrader depuis. On pensait qu'avec euh, ce qui s'est passé en 2015, où la force conjointe Niger et Tchad avait mené des combats pour faire déloger les combattants de Boko Haram, euh, la calmie était revenue. Mais vous avez vu juste en 2017, le 2 juillet, 39 femmes et enfants ont été enlevés. Et il n'y a pas eu assez vraiment d'engagement au niveau national. Ce n'est que des discours. Donc moi, cette déclaration, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont des moyens de faire en sorte que cette déclaration soit suivie d'actions concrètes sur le terrain. Mais si c'est autrement la, si simple déclaration. oui, si c'est encore sortir parce qu'à euh, à, l'époque des faits, quand les 39 personnes ont été enlevées à Ngalewa, nous on a fait beaucoup de bruit. On a fait commentaire sur commentaire pour interpeller même au-delà des autorités pour qu'il y ait vraiment une mobilisation nationale. Pourquoi pas une marche blanche? que les gens sortent vraiment habillés de tenues blanches pour protester vraiment ou bien noires pour dire que voilà, ce sont. Mais on a vu toute une nation qui s'est terrée dans un silence coupable. C'est comme si on est en train de perdre notre humanisme parce que ces femmes et ces enfants n'ont pas choisi cette situation. Ils euh, toutes ces personnes se sont retrouvées au mauvais moment, à, la mauvaise place, dans, un, dans, une situation très complexe. Mm. Donc voilà un peu. Mais je pense que le geste peut être apprécié. On peut, on peut, s'attendre peut-être à, un changement de stratégie de la part du pouvoir Vous savez, la guerre contre euh, Boko Haram est très complexe. Parce que Boko Haram est en train de vivre dans une zone qui se trouve euh, aux confins de trois pays, voire quatre même Nigeria, Cameroun, Tchad et le Niger. Mais nous savons tous que la défaillance vient chaque fois du Nigeria. Et aujourd'hui, c'est l'inquiétude des uns des autres. C'est pourquoi euh, on, il y a le sentiment de ne pas être sécurisé au sein de ces populations. Parce qu'on ne sent pas que ces gens-là, les forces de défense et de sécurité, sont là pour eux. Par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez le cas du Nigeria, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas d'attaque de, euh, position militaire. Ils sont en train pratiquement, la branche d'Al-Barnawi est en train pratiquement de prendre tous les postes. Aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme postes stratégiques sont tombés. Et c'est ça l'inquiétude. Aujourd'hui, s'ils arrivent à avoir cette facilité de, de, traverser la frontière parce qu'il n'y a plus de contrôle, hmm. c'est qu'il y a des inquiétudes. effectivement, moi quand j'entends certains se dire dire que il faut qu'on ait des actions concrètes sur le terrain pour éviter cela. Moi, je pense que le Nigeria doit jouer vraiment sa partition dans cette guerre parce qu'il faut que le Nigeria arrive à sécuriser ses frontières parce que sans cette sécurisation du côté du Nigeria, vu la porosité de nos frontières, ça risquerait d'avoir un coup dur déjà sur une situation de paix très fragile dans la région de Difa. Nissa, on savait qu'à un moment, il y avait la force mixte multinationale qui, est, qui œuvrait dans, dans cette zone. Euh, quand, qui s'étonne de, cette force qui est censée euh, lutter contre justement Boko Haram dans cette zone. La dernière fois, je crois, le ministre a évoqué un peu ça, la présence des forces tchadiennes au niveau de certaines positions sur notre territoire. Ils sont là, la force est là. Mais le sentiment que j'ai, c'est que on a comme l'impression, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces zones-là, notamment bien la zone de Difa et une partie de Tawa et pratiquement tout le nord de la c'est des zones en état d'urgence. Moi, j'ai dit, à partir du moment où on place des zones en état d'urgence, on doit pouvoir se donner les moyens mm. de surveillance, parce que l'état d'urgence suppose quoi les, les, libertés sont restreintes. Les libertés de circulation des populations, un temps, les motos même sont interdits de circulation, les véhicules à une certaine heure de la nuit. On a comme l'impression, et le député, je crois, comment il vais-je dire, euh, comment il s'appelle, le député de Difa, là, comment il s'appelle, là, et l'autre, l'Amiro, Aruna, il a dit, il dit non. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de patrouille, alors qu'on sait on connaît le mode opératoire de ces gens-là. D'habitude, c'est la nuit, ils viennent, aux alentours de 2 h du matin ou à l'aube. Mais à partir du moment où on connaît leur mode opératoire, moi j'ai dit il faut créer les conditions, pour, conditions même quand ils viennent poser un acte, parce qu'on ne peut pas éviter, c'est une nébuleuse, c'est des gens qui s'infiltrent au sein de la population, mais quand ils viennent poser les actes, qu'on ne leur permette pas de pouvoir s'échapper. S'échapper. Il faut créer les conditions mm. pour que ces gens, ceux qui sont là, les commandos qui pénètrent pour pouvoir poser ce qui qui ne puissent pas retourner à leur base. Parce que on a comme le sentiment que quand ils viennent, ils posent un acte, ils s'en vont et puis c'est terminé. Hmm. Et bon, on n'a que nos yeux pour pleurer. Bien. Hussein, nous passons au, second sujet de, ce forum, notamment le décès constaté le 7 décembre à Niamey dans des circonstances non encore élucidées de l'officier d'actif de l'armée de l'air Talata Shamsuddin Chombiano, qui continue de susciter d'ailleurs la polémique tant dans les salons que sur les réseaux sociaux alors euh, sa famille qui a posé sur les réseaux sociaux des images insoutenables et du corps du jeune pilote qualifie d'actes ignobles et intolérables. Je vais vous proposer donc de suivre un, extrait, donc de, un extrait euh, des précisions que donne sa tante, que donne sa tante et son cousin interrogé par Moussa Hassan. Salat est né le 24 septembre 1996 après des brillantes études il obtient son bac et il intègre l'armée. Il fut formé en Chine. Après deux ans, il revient plus d'une année de fonction. Il revient à la maison, informer son papa qu'il s'en va faire sa formation à saint Depuis lors, ils n'ont plus eu de ces nouvelles. Euh, le 7 décembre 1917, c'était responsable quand même pour euh, nous dire que Salata vient de décéder à la suite d'un arrêt cardiaque nous, sa famille, en fait, ce n'est pas sa mort qui, qui nous cause problème, parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il parte. Mais pourquoi de cette manière Qui a pu faire ça et pourquoi Si aujourd'hui, c'est mon frère à moi, demain, ça sera le frère à quelqu'un d'autre et on ne sait pourquoi. Il faut qu'on mette fin à ça. Vu tout ce qu'il a sur son corps, ça montre que ça, ce n'est pas une formation, c'est une liquidation. Quoi qu'il fasse ici, il y aura la justice de Dieu. Un témoignage donc euh, des parents de, du jeune euh, officier euh, décédé dans des circonstances encore qui restent encore à être élucidées. Euh, le ministère de la Défense a annoncé la suspension de toute la chaîne d'encadrement du centre d'instruction de Tondibia où sont formés militaires et paramilitaires du Niger, y compris le directeur de cette école et le médecin traitant. Il a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête de la gendarmerie pour faire la lumière et prendre éventuellement des sanctions. Au Seine-Issa. ces premières mesures annoncées sont-elles suffisantes à, votre avis ou insuffisantes pour apaiser les parents du défunt Vous savez, quand j'ai vu un peu les images de torture, parce que c'est véritablement, il a subi une torture euh, inouïe. Et on sait où ça s'est passé. C'est quand même dans un centre de formation militaire. Quand le ministre a annoncé, bon, on a suspendu et tout et tout. Le problème dans ce pays, ce n'est pas le tout, ce n'est pas de suspendre. On peut identifier ceux qui ont causé l'acte. Parce que c'est dans un cadre qui est là. Ce n'est pas dehors. Il n'a pas été agressé par des gens dehors. C'est au niveau de la formation qu'il a été torturé à mort. À partir du moment où on connaît déjà, on calibre déjà, on sait où ça s'est passé, on peut facilement identifier les auteurs et on peut remonter toute la chaîne pour savoir qui a commandité ça. Parce que dans tous les cas, c'est pas, en tout cas, dans le cas de la formation militaire, ce n'est pas comme ça. Est-ce qu'il faut parler de commandité parce que... Mais non, mais pourquoi pas Parce que tout simplement, ceux qui ont fait ça, certainement qu'il y a des commanditaires derrière. Il y a des commanditaires. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse torturer, brûler pratiquement le dos, je sais pas, mutiler les jambes et tout. Quand même, quelle est cette formation Même les formations commando qui se passent ailleurs, ça se passe. On peut te lancer dans la nature. Maintenant, c'est à toi de te débrouiller avec des moyens de bord pour venir en vie. Votre appréciation des mesures déjà prises. Oui, mais quelles mesures Mais le fait de suspendre le fait de suspendre là, on les a suspendus pour combien de temps Non, l'enquête, ça doit pouvoir, parce que moi j'ai dit, dans des circonstances comme ça, on doit pouvoir déterminer qui sont qui ont pris en charge, en tout cas, euh, comment dire, la formation de, Mais pour ça, il faut euh, un temps, non de... Un petit temps d'enquête Mais temps d'enquête, au niveau de Tonibia, on sait qui prend en charge qui. Il y a des chambrés, il y a, des caporaux qui sont là, il y a des machins. Hmm. On peut savoir il est entre les mains de qui On ne peut pas dire non, il faut, il faut, faire enquête. On a suspendu les, les, les, responsables du centre. Bon, mais ça va donner quoi Quelle va être la Qu'est-ce que vous espérez, Ousseini Ce que je veux, c'est que euh, on n'a pas besoin de beaucoup d'investigations dans ce genre de situation-là. Hmm. Si c'est dans le cas de la formation ou à travers, comment dirais-je, les épreuves de cette, ça, on peut comprendre mais qu'il soit torturé de cette façon, qu'on lui brise les jambes, qu'on lui brûle le dos, ça, on lui fracasse la tête. Ça, Issa, Mormadougou, vous avez suivi également les mesures euh, euh, annoncées par le ministre de la Défense, Kalla Moutari, euh, suite donc à, cette, à ce qui s'est passé. Oui, je crois bien que le fait même de se prononcer, quand même, moi, c'est ça va dans un premier temps. Mais c'est que cette affaire vient de soulever un débat qui était devenu tabou dans notre société. C'est pas la première fois que des gens décèdent dans les centres d'instruction, que dont les parents n'ont pas les moyens ou bien par peur, euh, on les annonce comme ça le décès de leurs enfants ou bien de leurs euh, parents. Mais les gens n'ont pas. Il y a cette peur, cette hantise de, vouloir euh, en savoir un peu plus sur les circonstances de la mort. Mais cela vient, euh, cette affaire va faire en sorte que ça ne veut plus être un tabou, parce que la vie est sacrée. On ne peut pas dire que quelqu'un euh, puisse trouver dans la mort dans des conditions si mystérieuses. Il n'est pas sur un champ de combat, il n'est pas agressé, et dans un centre où il est censé apprendre à bien servir la nation où ils trouvent euh, la, mort de cette façon, moi je pense que c'est ça. Et, aujourd'hui, au-delà de cette suspension, il faut que l'enquête puisse euh, vraiment aboutir et qu'il n'y ait plus cela. Il faut plus que aujourd'hui des gens s'adonnent euh, à ce genre de pratiques parce que nous sommes dans, dans des centres de formation de la grande muette. C'est l'armée. L'armée, c'est vraiment c'est l'institution phare de la République. Donc, il faut que euh, les gens qui sont euh, en, train de servir savent pourquoi ils ont fait ce choix. Voyez-vous, il ne faut pas que ce pays, on est en train d'arriver à, à une situation que longtemps les gens le disent, mais certains ne prennent pas ça au sérieux. Parce qu'il y a des citoyens aujourd'hui qui se sont mis dans la tête qui sont des super citoyens, qui peuvent poser toutes euh, les actions qu'ils veulent sans pour autant être inquiété par la justice. Alors, est-ce que vous pensez que ce genre d'acte peut avoir des conséquences pour un pays comme Niger, dit de, état, un pays d'état de droit, peut avoir des conséquences au plan euh, international je ne saurais le dire, mais de toutes les façons, au regard du tollé que ça a provoqué sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, au-delà des frontières du, Niger, les gens sont informés de ce qui s'est passé. Mais maintenant, c'est pour cela que le devoir de vérité s'impose mm. aujourd'hui à la hiérarchie. Parce que c'est parti déjà. À travers les réseaux sociaux aujourd'hui, au-delà des frontières, dans les quatre coins du monde, les gens ont su ce qui s'est passé. Donc, c'est pour cela qu'il faut aller jusqu'au bout mm. et vraiment citer les responsabilités. Qui est coupable Qui a fait ça qui, et pourquoi euh, Oui. Il ne suffit pas seulement de sanctionner ou bien de mettre les gens en quarantaine et puis aller les laisser. Or que pendant que ceux, on ne sait pas les motifs, c'est les raisons qui les ont poussés à commettre cet acte. Parce que ça, ne ressemble à rien euh, à des pratiques euh, qui entrent dans le cadre de la formation. Ousseini, est-ce que vous pensez que ce genre d'actes peuvent, peuvent, avoir euh, des, raisonnements au plan international, peut constituer une tache d'huile pour l'image pour du Niger bien évidemment, ce que ça vient de dire là, c'est que <laughs> aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand vous posez un acte répréhensible, c'est que ça va très loin et rapidement. On a vu <laughs> la moque de notre confrère saoudien. Khashoggi. Oui, euh, bien entendu. On a vu comment, jusqu'ici encore, hein, la tempête ne s'est pas calmée. Mais ce que je veux dire à ce niveau, tout à l'heure, ça vient de dire que, bon, dans le cas de la formation, évidemment, dans le cas de la formation militaire, quand on éprouve ceux qui sont dedans. Il peut arriver que la personne décède. Mais les circonstances dans lesquelles ce, jeune pilote-là est décédé, c'est quand même des circonstances euh, inadmissibles. Parce qu'on sent bien que ce n'est pas dans le cadre de, comme avait dit, de, de, de l'endurance, chercher à le. C'est délibérément fait. On ne peut pas briser les jambes, on ne peut pas brûler le dos, on ne peut pas fracasser un crâne dans le cadre d'une formation militaire. Mais ce que je suis, c'est que j'espère qu'il y aura une suite, on va savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mmh. Mais le tout n'est pas de dire, bon, ceux qui sont au niveau du centre, on les a suspendus. Parce que vous savez, on peut suspendre, mais mmh. au bout de quelques temps, les gens, on va leur trouver des points de chute et, l'affaire va être éteinte. Mmh. je pense qu'il faut aller jusqu'au fond pour dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Hmm. Qui sont les responsables Qui sont les, éventuellement les commanditaires Et la conséquence qui peut s'imposer sur. un résultat, bien entendu, hmm. parce qu'on ne peut pas tuer comme ça. Bien. Parce Tout cela, il faut que eh, l'enquête aboutit vraiment parce que nous sommes dans une période où on a, l'armée a besoin de beaucoup d'engagement. Ça, ce sont des actes qui découragent aujourd'hui ceux qui veulent aller servir le Niger. Hmm. Eh, quand ils voient ce genre de choses, c'est-à-dire, il n'y aura pas l'engagement. Effectivement, il faut qu'on montre qu'il y ait l'assurance que quand vous avez choisi de servir les couleurs nationales, que vous serez protégé. Parce que vous, vous allez donner en contrepartie votre vie sur le front ou bien euh, quelque part où vous êtes hmm. appelé à défendre le pays. Donc, il ne faut pas que dans cette intention d'aller défendre de, de, de, les couleurs nationales que vous soyez torturé comme un terroriste ou bien mm. comme un vulgaire euh, voleur. C'est ça un peu la situation. Bien. Euh, parlons donc euh, de, de, la réunion du G5 Sahel à Mauritanie, dont j'avais fait cas dans les titres. 2 milliards d'euros c'est le montant recherché par les États membres du G5 Sahel pour le financement du programme d'investissement prioritaire PIP 2019-2021 à travers la conférence de coordination des partenaires et bailleurs de fonds tenue à Nouakchott, à Mauritanie, le jeudi 6 décembre passé. À l'issue de cette conférence, 2,4 milliards ont été mobilisés, ou du moins annoncés. Ces fonds sont destinés à financer une quarantaine de projets communautaires dans les régions frontalières du Mali, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Alors, euh, Issa Issa Morumadougou, euh, de la radio et télévision Ténéré, êtes-vous confiant que les bailleurs agiront vite car la force G5 attend toujours de l'argent malgré euh, les professions de foi des grandes puissances D'abord, moi je voudrais saluer un peu cette vision si vraiment elle est sincère de lier la sécurité au développement. développement. Ça, c'est vraiment c'est une démarche salutaire et novatrice que a entrepris le G5 Sahel. Mais le problème qu'il existe, est-ce qu'il faut différencier, annoncer et avoir les fonds et c'est ça cette communication aujourd'hui. Cette réunion, qui, il y avait une mauvaise communication qui a été faite là-dessus, à l'issue. On ne sait pas c'est quoi, c'est des annonces parce qu'aujourd'hui, le, les tables rondes de financement, ils sont devenus aujourd'hui le sport favori de nos chefs d'État un peu partout en Afrique. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à New York, qui prennent euh, au-delà même de l'Europe, ils vont jusqu'à New York pour chercher des financements. Mais parfois, ça ne tombe pas. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Il faut présenter qu'est-ce qui on est parfois tenté de se poser des, interrogations genre comme si est-ce qu'il n'y a pas une rupture de confiance Parce que quand vous prenez, il y a le forum de financement qui s'est tenu à Bruxelles pour le GES, la force G5 Sahel. Mm. Aujourd'hui, où sont tous ces, toutes ces annonces de financement la, force G5, la force conjointe piétine aujourd'hui. Parce que les financements n'arrivent pas à tomber. Et aujourd'hui, ce, si ces pays réellement veulent nous aider, je ne sais pas s'il y a une rupture de confiance en nos, dirigeants ou bien quoi. Mais réellement, s'ils veulent nous euh, aider, il faut qu'ils nous <coughs> aident à bâtir une dynamique de développement à la base que dans les Et secteurs sociaux. la vision de, oui, ce programme. oui, c'est la vision de ce programme, évidemment. Mm. C'est pour cela la nécessité. S'ils ont vraiment envie de nous aider, la nécessité s'impose à ce qu'ils financent le PIP. Et surtout qu'il y a des mécanismes de transparence. Moi, je me rappelle, j'ai lors de la dernière, euh, le sommet qui avait élu le président Youssoufou à la tête du G5 Sahel, mm. ils ont expliqué les mécanismes, comment l'argent le, l'argent va être utilisé. Donc, il y a toute une chaîne euh, euh, de, de, dispositifs qui a été mise en place pour montrer un peu la traçabilité des fonds qui seront utilisés secteur par secteur. pour donner la confiance aux partenaires. Oui, effectivement, dans les cinq pays. Mais on a l'impression que les gens se partent à des rencontres. Ils nous font, mais c'est pour cela, Ils revient aussi à nos chefs d'État parfois de revoir leur stratégie. Mm. Par, parce qu'il ne suffit pas d'annoncer le temps ne fait pas en sorte que nous pouvons attendre longtemps. Mm. Aujourd'hui, nous savons, par exemple, quand nous prenons le cas de la montée en puissance aujourd'hui dans le bassin du lac Tchad de, Boko Haram, c'est qui veut dire qu'ils sont en train de recruter. Et qu'est-ce qu'ils, pourquoi ils recrutent Parce que c'est la pauvreté. Si les gens sont <coughs> occupés, les gens ont des services de santé adaptés, ils ont accès à l'eau, ils peuvent faire leur euh, euh, activité quotidienne activités génératrices de revenus, est-ce qu'ils seront tentés Donc voilà ce hmm. ces, de projets que, à travers le PIP, euh, les pays veulent mettre dans les zones sensibles. Donc moi, je pense que c'est une bonne dynamique, mais quand même, il faut revoir la stratégie pour que ça va au-delà, que l'action suit l'annonce. L'annonce. Hussein euh, c'est votre point de vue euh, que l'action, que les annonces suivent l'action Moi, je les appelle des effets d'annonce. C'est des effets d'annonce tout simplement. Les gens se réunissent, les chefs d'État. Moi, je suis euh, convaincu d'une chose, c'est que il y a au niveau de nos pays, parce que c'est ça le véritable problème, il y a un relâchement. C'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait contre le fait d'unir les forces, mais qu'à l'intérieur, d'abord, les gens créent les conditions avec les maigres moyens qu'ils ont pour pouvoir assurer, comme avait dit, la sécurité de leurs frontières. Malheureusement, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a baissé le bras, en tout cas au niveau du Sahel. On attend que les financements tombent. Une focalisation est faite au niveau du G5 Sahel. Au, au, niveau du G5 Sahel. Alors qu'on a quand même des armées nationales. Il faut leur donner tout simplement les moyens nécessaires. Créer les conditions pour que ces armées-là puissent être sur le terrain pour pouvoir contrer. On va aller trouver des financements. Et vous savez souvent pourquoi les Occidentaux eux-mêmes aujourd'hui, ils sont frileux à donner de l'argent on a parlé du G5 Sahel. Ça fait deux ans qu'on cherche le financement. Ne serait-ce que pour la première année, on n'a pas pu mobiliser ce financement. Ils se sont retrouvés la dernière fois en Mauritanie pour dire voilà, des projets de développement. Mais on, capte beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est la gestion qui fait défaut. La gestion dans la transparence. Parce que les, projets de développement et autres, là, quand l'argent vient, parce que quand les Blancs aujourd'hui, ils sont dans une posture où ils se méfient, j'ai suivi, je ne sais pas et comment vais-je dire, comment vais dire, les États-Unis qui, qui, qui, ont dit non, ils ne peut plus continuer à financer l'Afrique parce que tout simplement, aujourd'hui, avec euh, <laughs> la, <laughs> comment dire, la présence de la Chine et de l'Union soviétique ou de, de, de l'URSS, de, de, la Russie, hmm. ils, n'ont plus confiance parce que tout simplement, ils ne peuvent pas donner l'argent dans des conditions comme ça où les Chinois nous tiennent. On hmm. prend des fonds avec eux des prêts dans des conditionnalités, parfois des conditionnalités tellement floues qu'ils nous tiennent en laisse. Alors, est-ce que vous... Oui. Et, et, là, on veut, on allait chercher l'argent pour financer le développement, des projets de développement. C'est pas évident, même si l'argent là est mobilisé, c'est pas évident que ça arrive à destination. Ce n'est pas du tout évident. Et c'est ça la difficulté avec nos Pourquoi ce n'est pas évident Ce n'est pas évident parce que tout simplement, il y a une. Parce que les partenaires n'honoreront pas leur, engagement. un euh, détournement d'objectifs. On va mettre, par exemple, 100 milliards dans ce volet. Normalement, on doit pouvoir développer tel secteur les 100 milliards là, peut-être il y a 40 milliards seulement qui va arriver à destination. Bien. Les 60 milliards. Parler cette rupture de confiance, peut-être c'est ça qui est à la base. Donc, vous voyez. Et, puis, quand, même, la formulation. quand même, il y a eu des annonces qui ont oui, faites. Oui, euh, mais c'est ce que je disais. Il ne suffit pas seulement, les, je veux abonder dans le même sens que vous ni les effets d'annonce là. Mm. Mais il faut, il faut de l'action, il faut du, concret. Quand vous annoncez, il faut que mm. vous donnez. Mais il ne suffit pas de dire non, je vous donne tel million. Je, Hussein est témoin. En 2012, quand le PDS a été présenté à Paris, je vous assure les annonces qui ont été faites. Si réellement l'argent là est venu au Niger, je vous assure que le Niger est devenu un pays émergent. Parce que c'est la sécurité alimentaire a été le point mm. qui a été soutenu. Le fonds cohésion a annoncé, mm. tel mm. fonds, certaines choses a annoncé. Mais rien pour vous, vous insistez sur le fait que les non, il faut, il faut, il faut changer ce sport favori hmm. de table ronde de financement là. Il faut trouver des, il faut euh, trouver des arguments convaincants. Il suffit pas de dire non, nous voulons ça et que tout, même dans le dans la mise en œuvre du programme une grande partie de l'argent va dans le fonds de, de, de, de fonctionnement du programme. On investit, on donne des salaires colossales, des indemnités bizarres, or que l'investissement même c'est des miettes qui sont restées pour l'investissement. C'est ça aujourd'hui le problème de certains projets. Quand vous, allez... vous, vous le plus souvent, c'est dans les projets américains. Il n'y a pratiquement pas de phase 2 pour certains projets, parce que tout le financement est parti dans le fonds de fonctionnement. parlons de, ces sujets euh, qui fait couler euh, notamment d'encre. Euh, une de réfugiés soudanais devant le bureau de euh, l'UNHCR. Depuis mardi 11 décembre, il dénonce des traitements discriminatoires qu'il subirait vis-à-vis des autres réfugiés à qui l'on donnerait des facilités pour poursuivre leur trajet vers l'Europe. Selon le HCR, il s'agit des réfugiés venus à Agadez à partir de la Libye et qui ont été acheminés à Niamey pour être renvoyés au Tchad, qui est le pays dans lequel ils ont le statut de réfugiés. Mais ces derniers ne veulent pas retourner au Tchad. Ce matin encore, ils étaient toujours devant les bureaux donc, euh, du HCR. Hussein Issa, quel regard portez-vous au sujet de cette situation qui perdure oh, mais Vous savez, eh, ce n'est pas surprenant hein, qu'on se retrouve aujourd'hui avec une masse de réfugiés les Soudanais, ils ont quitté la Libye pour venir. Nous n'avons pas de frontière avec le Soudan. Ils étaient en Libye, c'est à cause des tracasseries qu'ils ont là-bas, les tortures et autres. Mm. C'est à cause de ça ils sont venus. On a ouvert la vanne. L'Algérie nous déverse pratiquement chaque mois un certain nombre de, migrants parce que tout simplement, on a prêté le flanc. On dit non, il faut retourner les, les, les, les comment vais-je dire. j'ai dit, il faut s'attendre à cette situation-là. Les Soudanais, on les a fait venir jusqu'ici parce que tout simplement, mais pourquoi ils ne sont pas allés au Tchad Pourquoi ils refusent d'aller au Tchad Ils ont une frontière avec le Tchad. Mm. Normalement, c'est au Tchad qu'ils doivent aller. Mais comme c'est ici qu'il y a la facilité de prise en charge et tout, aujourd'hui, ils protestent parce que tout simplement, c'est un pays où on, leur a accordé la possibilité de le faire. Sinon, dès le départ, on ne devait pas permettent à ce que la Libye, comme l'Algérie, nous déverse tous ceux qu'ils ont comme migrants indésirables. C'est quand même des, des, gens qui ont été acheminés de, d'Agadez donc à Niamey. Oui, mais d'Agadez, ils ont quitté la Libye pour venir à Agadez. Quand même de, de, de Oui, mais c'est, le HR, c'est mm. toutes ces facilités-là, tout ce qui est en train de se passer là, si le gouvernement n'avait pas ouvert cette vanne-là, parce qu'on dit, nous, nous allons accueillir tous ceux qui sont indésirables à eux, mais évidemment, quand les Libyens prennent, mm. ils, n'ont pas d'état d'âme. Ils se disent, voilà le pays le plus proche où on peut déverser. Quand les Algériens prennent, ils ne font pas la distinction entre Nigériens, Soudanais, comment veut dire, les autres nationalités. Mm. Ils nous déversent tout le monde. Et évidemment, quand le HCR aussi va là-bas, ou l'OIM, ils prennent, ils les amènent ici, dans le, comme avec, avec objectif de, le, de, de les faire partie. Quand il n'y a pas les moyens, parce que souvent, c'est des questions de moyens qui mm. se posent. Mm. Et ça, là, ils protestent, et c'est tout à fait naturel qu'ils protestent euh, par rapport à leurs conditions de vie sur place. Et ça, Madougou, vous êtes au courant aussi de, de, de, de ce qui, euh, en tout cas, qui perdent depuis mardi Mais oui, mais c'est que c'est maintenant que ça perdu, Mais je me rappelle très bien qu'ils ont eu à faire euh, un premier mouvement pour, pour protester contre leur situation. Mais D'abord, voyez-vous, c'est, c'est parce qu'on a laissé faire beaucoup de choses qui ne devront pas être faites. Au départ, ces gens-là sont arrivés de la Libye, ils sont à Gadez. S'il y avait l'intention de les rapatrier à Gadez, l'aéroport Manodak était un aéroport international. Donc on peut de là-bas les acheminer vers la destination appropriée. Mais pourquoi les faire venir ici Parce que nous-mêmes, avec nos gouvernants, dans cette histoire de réfugiés et de migrants, il n'y a pas cette transparence et cette redevabilité d'informer les Nigériens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Niamey, c'est ahurissant. voire à, à, à, à, la limite, c'est même, c'est vraiment, c'est, je ne sais pas quel mot utiliser même, parce que c'est frustrant quand on voit de la manière dont ces migrants. pourquoi le Niger est le seul Est-ce que le Niger est le seul pays Non. Le Tchad était dans, euh, euh, dans, cette même situation, mais le Tchad ne frétait pas le euh, le plan avec les organismes internationaux. Soit vous le faites, soit vous ne pouvez pas le faire. Mm. Aujourd'hui, on a, on a dit, longtemps décrié cette situation, cette manière de gérer ces gens-là. Alors, Issa, l'on se rappelle qu'à propos justement de, de ces questions, le 7 juillet dernier, à l'issue d'un entretien avec une délégation de l'ONU conduite par sa vice-secrétaire générale, Madame Amina Mohamed, le président de la République du Niger, Issouf disait, je cite, Nous sommes un peuple ouvert à l'hospitalité, nous sommes un peuple généreux, nous accueillons les gens qui sont en difficulté, qui sont dans le désarroi, c'est la tradition de notre pays. Fin de citation. Aussi, cité dans une dépêche de l'agence France Presse, le président disait, je cite, L'essentiel est que les gens ne restent pas longtemps au Niger. Il faut que le transit au Niger se passe très vite, que le temps soit minimal. C'est la seule condition que nous posons. Alors pourquoi ça bloque malgré euh, cette condition posée par le chef de l'État Effectivement, c'est la question pertinente. Où est-ce que ça bloque Qui ne joue pas euh, son rôle sur la chaîne de décision parce que les organismes sont là, qui sont dans la prise en charge. Il y a leur premier collaborateur qui est euh, le gouvernement. Donc, qui ne facilite pas la tâche à l'autre Qui profite de cette situation On, Qu'on le veuille ou non, on est appelé aujourd'hui à, à, poser plusieurs organisations, et euh, plusieurs interrogations, notamment par rapport à une mafia qui tourne autour de l'argent. Si ce n'est pas ça, moi, je ne peut pas comprendre aujourd'hui cette manière de gérer des réfugiés. On, dit, on les fait déplacer d'un point à un autre. Pour quelle est la raison pour laquelle on les fait déplacer euh, pour les amener à Niamey Voyez-vous, même à Agadez. C'était dans le but quand même de les, de les acheminer. De les, acheminer, pourquoi Parce que c'est à, Niamey seulement qu'il y a un aéroport international. S'il vous plaît. <coughs> Mano c'est un aéroport, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un aéroport international. Pourquoi ne pas affréter des avions même là-bas pour eux Mais nous, on n'est pas frontière avec même s'ils veulent les acheminer, mm. il faut qu'ils trouvent les moyens pour les acheminer. Mais c'est qu'il faut que cette situation, ça s'arrête. On veut de la transparence. Du combi de, des migrants, quand vous voyez les centres qui sont à Gadez, aujourd'hui, c'est même l'effet de frustration pour la jeunesse nigérienne qui se voit aujourd'hui dans le chômage, mais qui voit en face de des candidats à la migration ou bien des réfugiés. Mm qui sont mieux traités, eux, qui sont sécurisés pendant leurs États, or qu'on n'est même pas capable aujourd'hui, on n'a même pas le courage de sortir dire aux Nigériens de quoi il s'agit. Mm. Aujourd'hui, notre hospitalité, mais nous, c'est vrai, on est hospitalier, mais quand même, il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame. Il y a certaines choses qui méritent de la transparence, et c'est sur le cas de la gestion des réfugiés et des migrants. Hossein euh, vous avez entendu tout à l'heure les citations du président Issoufou, euh, justement à propos de ce genre de situation, euh, qui promettait, qui demandait en tout cas à que les, les, procédures puissent être accélérées afin que ces gens ne puissent pas durer sur le territoire nigérien. on se rend compte qu'il y a encore des cas, malgré tout ça bloque selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cela il y a un anthropologue là, un, comment un missionnaire qui est là, l'église euh, Mauro. Mhm. Euh, il a écrit beaucoup ces, organismes-là, à la limite. C'est des fonds de commerce. C'est-à-dire, quand on crée ce genre de situation dans un pays, ça peut pouvoir permettre de mobiliser beaucoup de ressources. Tout à l'heure, Issa vient de dire quelque chose. Des gens qui étaient à Agadez, pourquoi les acheminer à Niamey pour les faire partir vers le Tchad Alors qu'il est beaucoup plus facile à partir d'Agadez de les acheminer vers le directement Tchad. Directement vers le Tchad. Pourquoi on les amène à Niamey Et comme je l'ai dit, c'est une affaire de fonds de commerce. Il faut les faire venir pour qu'ils manifestent, pour que. Et, vouloir les acheminer, comme avait dit, trouver les moyens pour le faire. pour vous, c'est comme ça, vous lisez un peu. Non, mais bien entendu, bien entendu. Alors, il faut quand même. Est-ce que, que quand vous regardez, par exemple, au niveau du Mali, il y a beaucoup plus de départs à partir du Mali c'est les pays limitrophes, les pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, ceux qui transitent par le Niger pour arriver jusqu'à Agadez pour vouloir continuer. Les gens de la CEDAO, nous avons ouvert la vanne à partir du moment où on a ouvert la vanne, il faut s'attendre à ce genre de réaction. Alors, Ousseini, ces gens sont quand même toujours devant les euh, bureaux donc, il faut quand même trouver une solution. Comment est-ce que vous pensez que ils cette, ils vont, aller se plaindre, Ils vont euh, aller se plaindre où C'est pas euh, le HCR, ce n'est pas les, responsables de l'OIM, ce n'est pas eux qui les ont fait descendre à Niamey. Mm. Bien évidemment, c'est leur répondant immédiat, direct. Ils vont aller se plaindre devant la présidente de la République. C'est au niveau de ces qui doit aujourd'hui, aujourd'hui, qui doit. Mais ceux qui ont euh, décidé de les faire venir pour pouvoir les rapatrier vers le Tchad. Issa Mormadougou, vous avez quelque chose à ajouter sinon mais je, oui, oui, mais je pense que c'est ce que Hussein dit. Il faut que ceux qui sont à, la base de ce problème puissent trouver des solutions parce que ce n'est pas au Niger. C'est ça, c'est cette mafia qui est dénoncée par la gestion de ces, de ces questions par les organismes internationaux. On crée une situation pour pouvoir profiter, mais pas au bénéfice même de ceux qui sont au cœur du problème ni au pays qui accueille. C'est juste pour un groupe de personnes, un groupe d'intérêts qui est là, qui tapit dans l'ombre, qui est en train d'entretenir ce genre de situation. Mais moi, je pense que trop, c'est trop. Il faut que ces gens-là, qu'on puisse les, écouter et vraiment trouver une solution. S'il il y a lieu de les ramener là où vous les avez promis, il faut les amener. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous la réalité des choses. Quelqu'un qui est désemparé, qui, qui est stressé, il est capable d'être tenté par toutes les propositions. Fin du forum de la presse d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de nos confrères Ousseinissa, journaliste euh, indépendant, Issa Moru Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré, au micro Alassane Kouzi Mamadou, euh, Issa et à la technique. Merci. Rendez-vous demain samedi et dimanche à partir de 17h15 pour les forums en Hausa et en Zarma.